Chers auditeurs, euh, bonsoir. C'est l'heure du forum du studio Kalangou, votre rendez-vous quotidien d'émissions radiophoniques, de débats et de dialogues sur des questions d'actualité ou de société que vous suivez grâce à notre réseau dynamique de médias partenaires émettant dans toutes les huit régions du Niger. Ce soir, nous parlerons de la promotion des droits de l'enfant au Niger, avancées et défis. Le 20 novembre 1989, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention relative aux droits de l'enfant un texte international qui reconnaît explicitement des droits fondamentaux aux enfants, considérés dans son article premier comme étant tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Une convention de 54 articles énonçant plusieurs droits tels que le droit à la vie, le droit d'être soigné, protégé, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit d'aller à l'école, d'avoir des loisirs, etc. Dans la première partie de ce forum, nous irons à la découverte des principaux droits reconnus aux enfants et les avancées enregistrées dans le cadre de leur protection au Niger. Nous terminerons dans la seconde et dernière partie avec les défis à relever pour un meilleur respect des droits des enfants au Niger. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité M. Daoud Sani, il est le représentant de la direction de la protection des droits de l'enfant au ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Monsieur Sani, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Ganda Saleh, il est le président de la coalition des ONG africaines en faveur des droits des enfants CONAF section du Niger. Monsieur le Président, bonsoir. Donc, vous, bonsoir. À la modération de ce forum, je suis Michel Desch. Une fois de plus, euh, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans le forum du studio Kalangou de ce soir et en pour thème la promotion des droits de l'enfant au Niger, avancées et défis. Le dimanche 20 novembre 2022, la communauté internationale a célébré le 33e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies, une journée dédiée aux droits des enfants en commémoration de l'anniversaire de la Convention qui énonce leurs droits fondamentaux. Monsieur Ganda Saleh, président de la coalition des ONG africaines en faveur des droits des enfants, CONAF, euh, section du Niger. D'abord, que faut-il euh, comprendre euh, de cette définition de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits des enfants par rapport d'abord à la définition de l'enfant je vous remercie beaucoup. Donc, un enfant, de façon générale, c'est toute personne de sexe masculin ou féminin qui a moins de 18 ans, en tout cas en fonction de la Convention des droits des enfants que le Niger a librement ratifié Un enfant, c'est donc euh, toute personne, euh, quel que soit le sexe, âgée de euh, moins de 18 ans, sauf si la législation au sein du pays où l'enfant existe dispose autrement. Dans la loi nigérienne, mhm. là où ça peut changer, parce que c'est là où nous, avons quelques difficultés, surtout chez les, les filles, où la loi dit tu peux donner ta fille en mariage à l'âge de 15 ans. Mhm. ça, c'est le code civil qui prévoit ça. Tout à fait. Donc mhm. là aussi, une fois le mariage est, consommé, mhm. cette personne ou cette fille sort du cadre d'un enfant parce que là, elle aura le droit de vote, etc. Pour devenir femme émancipée femmes émancipées. Voilà. Donc voilà, et à ce qui concerne en tout cas la législation nigérienne qui demeure ici une exception et c'est à cause de ça des défenseurs des droits de l'homme et des enfants en particulier font le plaidoyer pour qu'au Niger, par exemple, la femme se marie à l'âge de 18 ans pour ne pas donner en mariage des enfants puisque il y a un peu de contradiction. C'est ce que vous pensez, c'est ça Oui, c'est ça la contradiction surtout maintenant et même si au cas où il y a eu un mariage, de bout de 18 ans, même si on va devant les tribunaux, on aura tort. C'est vraiment, ça nous cause énormément de, de, difficultés. Mhm. Au Niger, hein, maintenant, nous sommes dans une nouvelle dynamique parce que là, à l'époque, on, ne connaissait pas les zones dans lesquelles il y a des, conflits armés mhm. où l'enfant demande euh, une protection spécifique. C'est ce qu'on appelle protection de l'enfant mhm. en situation d'urgence. Donc là, il y a la protection de l'enfant tout court et il y a la protection de l'enfant en situation d'urgence. Mhm. Voilà ce que nous, nous disons et par rapport à ça. Les enfants sont vulnérables, on le sait, à cause de certains éléments. et on le verra dans les détails. Euh, Monsieur Daouda Sani, le représentant de la direction de la protection des droits des enfants au ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Il faut rappeler donc que la convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée justement le 20 novembre 1989. Donc hier, c'était le 33e anniversaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord dans quel contexte est intervenue l'adoption de cette convention du 20 novembre 1989? que le Niger a ratifié en 1990. Oui, merci, Monsieur Michel. Euh, je remercie quand même le studio Kalangu. Merci à vous euh, également d'être venu. Euh, merci. Effectivement, comme vous le dites, donc le 20 novembre 1989 consacre l'adoption d'un texte vraiment fondamental en matière de protection de l'enfant. Mhm l'un le, des textes qui a fait le plus l'unanimité au niveau mondial parce qu'il a mhm. été ratifié par presque l'ensemble des pays à l'exception de deux. Euh, ce texte, il faut dire que bien avant ce texte, il y avait eu beaucoup d'autres initiatives depuis 1923. Mhm. Donc il y avait eu des déclarations de protection des droits de l'enfant, mhm. il y avait eu des résolutions. Alors pour définir l'enfant, il fallait trouver d'abord un terme qui fait l'unanimité, l'âge, c'est-à-dire l'aspect âge a fait l'unanimité. Parce que, comme vous le savez, chaque société, chaque pays a en son sein de manière endogène des mécanismes de protection de l'enfant mhm. qui lui sont propres et des quelques dispositions législatives, peut-être réglementaires, qui lui sont propres. Mhm. Mais pour cadrer et amener tout le monde à accéder à la réalisation des droits de l'enfant, donc on a trouvé le texte qui non seulement consacre tous les droits des enfants, de manière indivisible, hiérarchisable et universelle, c'est-à-dire applicable dans tous les pays, dans tous les contextes. Alors, c'est la convention relative aux droits de l'enfant. Mhm. Et effectivement, comme il l'a dit en son article premier, mhm. là je, le relève, euh, qui dit donc au terme de cette convention, <coughs> un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, mhm. sauf si la majorité est atteinte en vertu de la législation qui lui est applicable. Mhm. Et ah, c'est une ouverture qu'on a donnée à chaque pays, comme vous l'avez dit, en fonction de ses spécificités culturelles, pour adopter des lois, pour prendre en compte les réalités donc internes pour accéder à la réalisation droits de l'enfant. C'est dans ce cadre qu'au Niger, selon le Code civil, les jeunes filles, il est dit, 144, il est dit que oui, le mariage euh, pour les garçons c'est 18, ans révolu pour la fille et 15 ans, 15 ans. révolu pour les filles. Et il y a des défenseurs selon la CONAF. La CONAF explique que c'est pas conforme à cette convention. Vous voyez bien que ça ne rime pas avec l'article que je viens de citer, mhm. on a dit moins de 18 ans, donc mhm. homme ou femme, comme il l'a dit. Mhm. Alors que le Code civil, lui, il y a une, disposition discriminatoire, 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons. Donc il faut harmoniser, il faut corriger. Vous savez, 80% de la population nigérienne est en zone rurale. Et trop souvent, euh, la majorité des mariages d'enfants s'effectuent surtout en zone rurale. Dans un pays où vous avez 58,2 d'enfants qui ont moins de 18 ans, et dont la majorité plus de 60% résident en zone rurale, et combiné donc à la non-présence effective de tous les services de protection, parce que là aussi c'est un autre défi, même si on essaie à travers notre ministère donc de trouver quand même des mécanismes euh, de protection de l'enfant de proximité. Donc il y a eu quelques dispositions, mais le, le caractère en tout cas énorme des défis des problématiques, comme vous, euh, il vient de vous le dire, des problématiques qui vont crescendo avec le contexte sécuritaire. Il y a beaucoup d'autres problématiques donc, qui sont venues se greffer aux problématiques traditionnelles qu'on connaissait et, qui ne permettent pas donc, à nos services de donner des prestations de manière à couvrir tous ces besoins-là. À mm-hmm. vraiment, euh, euh, c'est un pas important. Le Niger, effectivement, l'a ratifié le Niger a pris depuis des dispositions conformément à son engagement, parce que la mhm. CDE en elle-même prévoit des dispositions, des articles qui amènent certains États à prendre des mesures mhm. pour pouvoir mettre en œuvre toutes les dispositions contenues dans la CDE. Raison pour laquelle, si, euh, euh, même la protection de l'enfant est définie comme l'ensemble des mesures mhm. donc organisées dans donc dans l'espace public et privé par des acteurs étatiques et non étatiques pour prévenir et ou apporter une réponse à toute forme de violence, abus, exploitation à l'endroit des enfants. Donc vous voyez que eh, ces mesures-là, que ce soit eh, au niveau des enfants donc, qui sont dans la société, ou que ce soit au niveau des enfants en conflit avec la loi, conformément aux dispositions de l'article 40 même de la CDE, e, mm. donc le Niger a fait beaucoup d'avancées. Et je précise aussi que la protection de l'enfant, dans le préambule de la Convention relative aux droits au de l'enfant, mhm. commence avant la naissance. Mhm. C'est avant et après la naissance mhm. qu'on parle de, euh, de, protection. Au niveau même de la grossesse. Au niveau même de la grossesse. Il y a l'existence juridique de l'enfant. Exactement, l'existence juridique et tous les soins que la maman aussi doit se donner pour garantir une bonne santé du bébé. C'est vrai, il faut rappeler que c'est à cause de ça que l'État a prévu la prise en charge euh, de la mère Exactement. Pour les questions, par exemple, de la césarienne, le droit à la vie. Le droit à la vie, il y a des dispositions comme ça qui existent dans la législation nigérienne et qui protègent justement les enfants. Merci beaucoup. Monsieur Ganda Saleh, président de la coalition des ONG africaines en faveur des droits des enfants, CONAF, euh, section du Niger. Aujourd'hui, quels sont les principaux droits reconnus aux enfants dans cette euh, convention qu'on appelle la convention relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 1989. Merci beaucoup. Je rappelle d'abord au passage que, au-delà de la convention qui a été célébrée le 20, mhm. il y a aussi des journées qui sont dédiées surtout à l'enfant. Il y a le 16 juin, journée de l'enfant africain. Voilà, journée de l'enfant africain. Donc là aussi, on ne perd pas de vue. Et donc les différents droits, comme j'ai euh, tantôt on a l'habitude de le dire, il y a des dix droits fondamentaux, le droit d'avoir un nom et mm. une nationalité. Mm. Donc là, le nom d'accord, mais la nationalité aussi souvent, euh, comme l'a dit le, mon collègue du ministère, euh, les enfants qui sont mis au monde dans les zones rurales, mm. dans notre cas, souvent il faut aller au brevet d'études pour chercher la, nationalité, mm-hmm. en tout cas euh, à, l'enfant. Donc ils ne sont pas déclarés ces enfants, ils n'ont pas droit à l'état civil. Et pour avoir la nationalité, il faut d'abord l'existence de l'état civil. Il y a un lien à ce niveau. Donc mm. c'est ça, euh, et actuellement nous sommes sur ces, documents, mm-hmm. sur, cette thématique pour aider en tout cas à élaborer lors des audiences foraines pour établir des, des pièces d'état civil à des enfants qui n'en ont pas mhm. dans nos zones d'intervention. Mhm. Il y a aussi le droit à la santé. Je vois au Nigeria, il y a une politique qui a été mise en place des heures à 5 ans, je ne sais pas si ça marche. Droit à l'éducation, là aussi c'est le grand problème. Je ne sais pas, eh, on a droit à l'éducation, il y a tellement d'écoles, il y a maintenant, il faut voir comment les écoles sont fermées. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des enfants qui ont besoin d'une protection spécifique. Mhm. Et il y a ce droit aussi aux loisirs, aux jeux et au repos. Il y a aussi le droit à la participation. C'est là où il reste beaucoup à faire. Parce que peu d'acteurs euh, euh, implique les enfants, la participation des enfants dans la mise en œuvre de, certains projets. Donc maintenant, avec des nouvelles réformes, droit d'être protégé contre la maltraitance. Mhm. Là, c'est là où doit intervenir le travail des enfants et le droit de vivre avec sa famille. Vous prenez un enfant de force, vous le donnez à quelqu'un. Là aussi, ça n'a pas de sens. Hmm. Ça n'a pas de sens. pendant que ses, parents sont là. Et il y a aussi, enfin, le droit à des soins spécifiques. Hmm. Là, il faut voir, quand on dit soins spécifiques, il y a aussi les enfants porteurs d'handicap. Là, ils ont besoin vraiment d'un soin spécifique. Mm-hmm. Il ne faut pas les négliger. C'est des personnes entières aussi. Mm-hmm. Donc voilà, en gros, les dix principaux droits, en tout cas fondamentaux, mm-hmm. de l'enfant que chaque euh, acteur, en tout cas chaque parent, doit veiller à ça. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la CONAF, euh, la CONAF qui est donc la coalition des ONG africaines en faveur des droits des enfants, CONAF euh, section du Niger. Euh, Monsieur Daoud représentant de la direction de la protection de l'enfant au ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Est-ce qu'il y a d'autres droits importants qui méritent d'être soulignés ici Oui, merci. Effectivement, j'allais ajouter un peu donc le droit à une alimentation saine et mhm. équilibrée, et le droit à l'affection, le droit mhm. d'être aimé. C'est vrai, elle avait évoqué le droit d'être en famille. On mhm. suppose que c'est un peu le prolongement. Et aussi, il avait parlé du droit d'être protégé contre la maltraitance. Mhm. Donc, euh, conformément à l'article 19 même de la CDE, c'est donc d'être protégé contre violence, abus, exploitation et la maltraitance. Mhm. La maltraitance, il avait évoqué le travail, mhm. par exemple, des enfants. C'est pas seulement ça, ça peut être une violence physique aussi, ça peut être une violence verbale, ça peut être une privation quelconque. Maintenant, par rapport aussi au choix en cas de divorce, par exemple le choix, il faut dire que c'est toujours l'intérêt supérieur de l'enfant qui guide le mm-hmm. choix du juge mm-hmm. au cas où c'est référé. Oui, c'est vrai, parfois il faut aller chez le juge. Même si l'enfant dit qu'il veut partir, il ne s'agit pas de considérer le juge a mm-hmm. une, un devoir de consultation. Il a le devoir d'écouter l'enfant, mais il n'est pas obligé d'accéder à ce que veut l'enfant. Mhm. Parce que le consentement d'un enfant ou le choix d'un enfant peut être un choix erroné lié à son immaturité, mhm. euh, euh, euh, soit psychologique, soit qu'il soit corrompu ou bien qu'il ait été abusé. voilà. donc c'est au juge mhm. de voir. Donc l'intérêt supérieur de l'enfant guide toute intervention en faveur de l'enfant. Mais cette intervention devrait se faire en l'amenant à dire son opinion, à mhm. dire ce qu'il pense de la chose. Maintenant, c'est au juge mhm. d'apprécier. C'est vrai, en Mais en mettant en avant, les gens vont chez le juge lorsqu'il n'y a pas de consensus. Parce que lorsque le consensus Oui, mais ce consensus-là, ce consensus-là mhm. devrait être fondé sur l'intérêt supérieur de, l'enfant. Pas sur ce que la femme veut, ou sur ce que l'homme veut, ou sur ce que l'enfant veut de manière isolée sans considération des conséquences. Monsieur Daoud quand on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant, ça veut dire quoi Ça veut dire quand on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est quel est le choix pour l'enfant que vous allez euh, faire pour résoudre la situation et qui puisse garantir son bien-être et son développement harmonieux futur. Mhm. C'est-à-dire là où il peut, je vous donne un exemple, par exemple, même si l'enfant dit qu'il veut aller avec sa maman et que sa maman, par exemple, est dans une situation d'immoralité, par mhm. exemple, c'est une professionnelle du sexe. Mhm. Habituellement, les gens disent sa maman n'est pas mariée depuis qu'elle a divorcé. Exactement. Des arguments vous même vous savez qu'il va mhm. être dans un environnement mal famé. Il va être dans un environnement qui ne peut pas être propice non seulement à sa dignité d'enfant, mais également lui garantir une bonne éducation. Le choix se fait euh, par, le juge. par ah, le juge, lui aussi au moyen d'une enquête sociale qu'il mhm. C'est vrai, ça prend même souvent du temps. Effectivement, dit, il faut qu'il fasse une enquête mhm. sociale des conditions de vie des deux mhm. conjoints et apprécier où l'enfant pourrait, vraiment, où les droits de, l'enfant pourraient être garantis pour qu'il ait une vie digne, pour qu'il ait une vie, un développement harmonieux pour mhm. qu'il puisse être utile pour lui-même et être utile pour la société. Merci beaucoup. Et les décisions, on le sait, de justice s'imposent à tous et au pouvoir public et aux mhm. citoyens. Ça veut dire au cas où le juge rend cette décision, on peut faire appel dans le délai réglementaire, mais une fois que le délai est consommé, c'est fini. Mhm. Il faut donc accepter ça comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Daoud Sani, représentant de la direction de la protection des droits de l'enfant au ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Il faut donc euh, rappeler justement que cette convention relative aux droits de l'enfant prévoit quatre principes fondamentaux en dehors donc euh, des droits comme ça a été énuméré. Il faut retenir donc qu'il y a quatre principes fondamentaux qui doivent guider l'application de cette convention ainsi que sa mise en œuvre et son L'interprétation, le président de la coalition des organisations nigériennes de défense des droits de l'enfant, Konid Sidi nous présente ces quatre principes fondamentaux et leur importance au micro du studio Kalango. Les principes fondamentaux, c'est d'abord celui en lien avec la non-discrimination, c'est-à-dire que les enfants, quelle qu'en soit leur origine sociale, raciale ou ethnique, ou leur couleur ou leur religion, Dès lors qu'ils sont dans la tranche d'âge de 0 à moins de 18 ans, ils sont enfants et doivent être traités de la même manière. Le second principe, c'est le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire que dans tout ce que l'État, les collectivités, les partenaires doivent faire, nous devrons prendre en considération primordiale l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire que quand il y a des décisions à prendre, nous devrons veiller à ce qu'un enfant ne soit pas affecté par ces décisions. Le troisième principe, c'est le principe de la survie et développement qui voudra que puisse créer toutes les collectivités conditions pour que l'enfant puisse s'épanouir dans un environnement sécurisé. Et enfin, le quatrième principe, c'est le principe de la participation des enfants qui voudra que dans tout ce qu'on initie, on puisse également impliquer l'enfant dès lors qu'il a le sens du discernement. C'est véritablement sur ces quatre principes euh, indérogeables-là que repose l'ensemble des autres droits. Par exemple, le droit à l'identité, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'alimentation, c'est-à-dire à une nourriture saine, mais aussi le droit à la protection pour qu'on ne puisse pas avoir des enfants qu'on aujourd'hui, où on qualifie d'enfant de la rue ou d'enfant de ceci ou cela. Monsieur Ganda Saleh, président des ONG africaines en faveur des droits des enfants, avant de parler des obstacles, aujourd'hui au Niger, s'il faut parler d'avancées en termes de respect des droits des enfants, de quelle avancée peut-on parler Je veux rappeler aussi, euh, toujours en matière de protection, au-delà de, de, la CDE, il y a eu aussi l'adoption euh, par à, la 26e conférence des chefs d'État et de gouvernement, euh, la défunte OUYA, mhm. ce qu'on appelle la, charte e. africaine. Bah, voilà. La charte africaine des, droits de l'enfant et de son bien-être. Et de son bien-être. Mhm. Tout ça. C'était depuis 90 hein, à Addis Abeba. Addis Abeba. Mhm. En 90 à Addis Abeba. Tout ça, c'est pour, euh, pour que les États ne perdent pas de vue en tout cas la, convention euh, relative aux droits de l'enfant, la CDE. Mhm. Donc là, pour répondre à votre question, il y a eu beaucoup d'avancées significatives euh, en matière de protection de, l'enfant au Niger. Mhm. Et surtout, il y a eu des documents qui ont été élaborés. Je parle sous le contrôle de mon ami de la direction de la protection des droits des enfants il y a le cadre juridique euh, national qui a été élaboré en faveur des, droits de l'enfant au Niger. Il y a aussi euh, un document qui a été élaboré par euh, le même ministère pour mettre fin au mariage des enfants, une stratégie que le Niger a mise en place pour mettre fin au mariage des enfants. Je crois que c'est tout récemment qu'il y a eu un, atelier pour voir à quel niveau se trouve ça. Ensuite, aussi, il y a un décret euh, qui a été pris en Conseil de ministres pour créer des comités de protection de l'enfant à tous les niveaux. Là, je pense que c'est une avancée significative. C'est vraiment un document qui a été complété par un arrêté ministériel où ce document, de la base au sommet, tout le monde est dedans. Par exemple, euh, c'est un document qui dit que dans chaque, ville, dans chaque région, dans chaque département, dans chaque commune, dans chaque village, dans chaque tribu, il faut mettre en place euh, un comité de protection à la taille de, l'entité. Par exemple, je donne l'exemple d'un village. Dans un village, il y a un comité euh, de protection de, l'enfant. Nous, nous avons eu la chance de mettre en place ce comité-là. On a mis au moins euh, une cinquantaine de comités de protection de l'enfant dans nos villages d'intervention. Ce comité de protection est composé de 12 membres, Donc, c'est le chef de village qui est le président. Comme vice-président, il, a le l'imam, le religieux du village, secrétaire, l'enseignant ou l'infirmier du village ou quelqu'un qui sait lire et écrire. Là, qui compose vraiment euh, tous les acteurs. Donc, nous, en matière de protection, on trouve ça vraiment euh, une avancée significative. Mhm. Je vais m'arrêter ici pour permettre aussi aux, camarades du ministère euh, qui doit compléter mhm. les, autres. Merci beaucoup, Monsieur Daouda Sani, représentant du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. S'il faut parler d'avancée en dehors de ce qui est dit, qu'est-ce qu'il faut rajouter oui, euh, il avait parlé du cadre juridique mhm. et institutionnel. Mhm. Bon, du cadre juridique, il faut dire que vraiment, euh, c'est le fondement même en termes d'avancée. Mhm. D'abord, depuis la ratification de, la Convention, il faut dire que l'une des avancées majeures, c'est la création même d'un ministère spécifique à la en protection, en charge de la protection de l'enfant. Nous avons après l'élaboration de plusieurs politiques de protection, dont actuellement, c'est le document cadre de protection de l'enfant, qui est la politique de protection qui dont la mise en œuvre mhm. nous a permis donc de renforcer le système de protection en créant les services de protection mhm. à tous les niveaux, avec donc des interventions de proximité mhm. et aussi euh, euh, en développant donc des programmes de protection de l'enfant, par exemple. c'est-à-dire que le Niger a donc une politique nationale en matière le Niger a une politique nationale de l'enfant en matière de protection, mais qui est appelée document cadre de protection de l'enfant. Mhm. C'est lui qui fait office de politique. Le nom, le nom, c'est pas politique, c'est document cadre de protection de l'enfant. Mhm. Alors, dans ce euh, qui a, notamment, je vais rappeler les trois axes, mhm. donc euh, euh, l'axe prévention, l'axe prise en charge et l'amélioration de l'environnement institutionnel en matière de protection de l'enfant. Mhm. Or, les ressources limitées de l'État même si je salue l'accompagnement de l'État, mhm. les ressources limitées en matière de protection de l'enfant ne nous a pas permis d'avoir la représentativité de nos services à tous les niveaux. Ce qui fait que, comme il a dit, conformément à au, décret 2019-369 qui crée les comités de protection du niveau national, niveau régional, départemental, communal, jusqu'au niveau village. Et nous avons pu mettre en place des comités de protection à tous les niveaux. Mhm. Et un autre programme vraiment pas euh, euh, non moins important, c'est le développement de l'ACPE, donc l'approche communautaire de protection de l'enfant. Ici, il s'agit d'habiliter les communautés elles-mêmes à comprendre les enjeux de la protection, à avoir en leur sein des structures de protection de l'enfant et gérées par elles-mêmes. Donc l'implication communautaire pour la protection de l'enfant, pour faire euh, simple, une protection de proximité, qui ont des contacts, des liens, soit de référencement, soit de collecte mhm. en matière de collecte de données et d'intervention de proximité en matière de personnel avec donc les maillons, nos services qui sont surtout au niveau départemental. Mhm. Mais est-ce que ces différents services au niveau décentralisé fonctionnent bien Oui, ces services, ces services fonctionnent parce que c'est grâce à ces services aujourd'hui, en moyenne, que nos services font des prestations de services à au moins 16 000 enfants par mois en moyenne par an. 16 mhm. 000 enfants en moyenne. Puisque si je dis service de proximité, ce n'est pas seulement la prise en charge euh, un peu euh, euh, chose, il y a des activités aussi, mm. donc de prévention, qui associe les jeunes, les enfants, ou bien il y, a il même des interventions qui se font sans ouverture de, dossier. Est-ce que vous leur apportez également de la formation, puisqu'on sait que vous ne travaillez pas seul, vous travaillez également en collaboration avec le ministère de la Justice, puisque les plaintes, euh, notamment en ce qui concerne la protection des enfants, il y a une politique de protection judiciaire et juvénile effectivement, qui est en vigueur au Niger. Et surtout, nous, l'avancée majeure en ce sens, c'est pourquoi j'avais voulu un peu expliciter au niveau du mhm. cadre juridique Mm-hmm. c'est surtout la loi sur les juridictions euh, mm-hmm. pour mineurs, la loi 2014-072, mm-hmm. qui organise, qui crée, organise et euh, précise le fonctionnement des juridictions pour mineurs. Très souvent, c'est des dispositions qui ne sont pas comprises. Euh, oui, c'est pourquoi, donc, actuellement, nous sommes les programmes de sensibilisation donc des communautés et de tous les acteurs font partie de ce qu'il y a de manière transversale donc euh, à toutes nos interventions. Maintenant, la multisectorialité de la protection de l'enfant, mhm. comme vous l'avez dit, effectivement, nous, nous mettons en œuvre à travers nos services la protection spécialisée. Mhm. Mais la protection de l'enfant, vous avez parlé de plusieurs droits. Vous avez parlé de droit à l'éducation. Mhm. Ce n'est pas nous qui garantissons le droit à l'éducation. Il y a un ministère, de l'éducation avec lequel, effectivement, nous travaillons et qui garantit donc la réalisation de ce droit. Et, et effectivement, qui est censé donc, peut-être garantir, non seulement du point de vue infrastructurel, parce que à ce niveau aussi, nous sommes en train de voir, il ne s'agit pas seulement d'amener l'enfant à l'école, non, il faut aussi créer les conditions de sa protection au sein de cet environnement scolaire. Vous avez mhm. vu avec les événements de Pays-Bas où les enfants sont brûlés, ça c'est une atteinte à la protection. Le, on va dire, il est inscrit à l'école, son droit de, à l'éducation est garanti, mais en réalité non, ça ne se limite pas là. Mhm. C'est-à-dire offrez-lui un environnement d'apprentissage qui soit adapté à sa spécificité et qui garantisse sa sécurité. Mhm. Donc ça doit être euh, des efforts qu'il faut continuer à voilà. On voit que tout n'est pas acquis définitivement. Effectivement. On a parlé donc de la politique de protection judiciaire et juvénile. À ce niveau, il y a une protection pour les enfants de moins de 13 ans, les mhm. enfants de 13 ans à 18 ans. Mhm. Le juge des mineurs s'en occupe pour voir s'il y a lieu de prévoir des peines souples, c'est ça C'est la loi même qui prévoit les peines. Ce C'est pas au juge. Lui, le juge, il ne fait qu'appliquer. C'est ça. Mais c'est pas, les peines ne sont pas pareilles euh, et même les conditions de la détention, tout ça, c'est Effectivement. Merci beaucoup. Nous allons entamer la dernière partie de ce forum du studio Kalangou portant sur le thème la promotion des droits de l'enfant au Niger. Mais, j'aimerais relever un, truc fondamental. Mhm. On avait parlé depuis la, de la convention relative aux droits de l'enfant. Mhm. Il faut parler de ces trois protocoles. Mhm. Le protocole donc, il y a eu des protocoles additionnels. Effectivement, mhm. nous avons le protocole donc euh, d'implication des enfants dans les conflits armés. Mhm. Nous avons le, protocole sur la vente et la prostitution et l'implication des enfants dans mhm. les activités pornographiques. Et nous avons le protocole donc qui permet aux enfants de, C'est vrai, il y a beaucoup de, droits. Il y a quand on parle des droits qui permet aux enfants donc de porter, de faire une communication au mhm. comité de Genève, y mhm. compris de. Merci beaucoup. C'est vrai qu'à ce niveau, la traite des enfants, c'est fortement reprimé par la loi l'utilisation des enfants dans des films pornographiques ainsi que dans la prostitution. Lorsqu'on prend quelqu'un dans cette situation, il y a des sanctions pénales qui sont très lourdes. Nous allons donc euh, terminer avec cette partie, partie dans laquelle nous parlerons des défis à relever pour un meilleur respect des droits des enfants au Niger. Monsieur Ganda Saleh, président de la CONAF Niger, quels sont ses principaux défis à relever pour un meilleur respect des droits des enfants au Niger et une bonne euh, protection de ces enfants en tout cas, dans le cadre de l'approche communautaire, le défi qu'il faut vraiment euh, relever, c'est la prise en compte de la protection de l'enfant au niveau communautaire, c'est-à-dire mhm au niveau des communautés, au niveau des, mairies, en tout cas d'intégrer la, la, protection de l'enfant dans leur, dans leur cadre, dans leur proposition budgétaire. Il faut une ligne budgétaire. Nous avons commencé l'expérience dans certaines communes où euh, la protection de l'enfant sera prise en, compte. Hmm. Là, vraiment, si maintenant euh, le décideur demande à tous les maires, de prendre cette question en charge de leur PDC, qu'on appelle le programme de développement euh, communal. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça, c'est un. De deux, il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience à tous les niveaux, mm. c'est-à-dire surtout au niveau des parents. Mm. Nous qui sommes les parents. Et aussi une sensibilisation au côté État, parce qu'il ne suffit pas de prendre une loi ou bien un décret il faut vulgariser. Mhm. À ce que je sache, il doit y avoir une direction au ministère de la Justice qui, son rôle, c'est de, vulgariser euh, ces, lois-là. Mais malheureusement, ces lois ne sont pas euh, vulgarisées. Mhm. Le citoyen ne connaît même pas l'existence de certaines lois. et on dit aussi ignorer la loi. C'est-à-dire pour respecter la loi, il faut la connaître et c'est ce que prévoit notamment l'article 43 de la Constitution qui dit, je cite, l'État a le devoir d'assurer la traduction et la diffusion en langue nationale de la Constitution ainsi que des textes relatifs aux droits humains et aux libertés fondamentales. Mhm. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour terminer rapidement, Monsieur le Président de la CONAF vraiment mes, préoccupations et aussi l'État doit accompagner les organisations de la société civile qui interviennent dans le, dans le cadre de la protection de l'enfant. Parce que mhm. tout ce que les, les, ONG font, c'est pour accompagner, c'est pour accompagner l'État. Parce que le collègue du ministère ne va pas dire le contraire. On ne sent pas la présence des acteurs de l'État. Mais eh, qu'est-ce qui se passe On favorise plutôt les ONG internationales au détriment des ONG nationales. Surtout, c'est ça notre préoccupation en matière de protection de l'enfant. Merci beaucoup. Avez-vous un appel particulier à l'endroit des parents, puisque ça, c'est à l'endroit de l'État Je pense que et, depuis la nuit des temps, chaque parent sait comment protéger son enfant. Mais malheureusement, et souvent certains se cachent derrière, ils disent qu'ils sont pauvres, on laisse les enfants à eux-mêmes. Et pourtant, nous, qui sommes là, qui sommes en train de parler, euh, on a tous vécu dans les, dans dans les zones rurales. Notre éducation, ce n'était pas comme ça. Il faut que les gens reviennent à l'ancien système d'éducation. Et surtout, euh, les parents doivent aussi suivre, en tout cas, le cursus scolaire de leurs enfants. Mhm. C'est-à-dire aider les enfants à avoir une bonne scolarisation, parce qu'on voit que dans certaines localités, il y a des parents. L'État ne peut pas tout faire. Mhm. L'État ne peut pas tout faire. L'État crée les écoles, il, y a les, il paye les enseignants. Maintenant, le suivi, c'est vraiment une question qui, relève de la, de, la compétence maintenant de ces parents-là. Mhm. Donc, il ne faut pas laisser les enfants, il faut vraiment les, les, encadrer, il faut les mhm. suivre, il faut les éduquer. Merci beaucoup, il faut donc les accompagner dans le cadre de la jouissance de leurs droits. Vous l'avez dit, l'État crée des écoles, mais l'État ne peut pas savoir si un enfant ne part pas ou bien s'il euh, n'est pas inscrit. C'est à chacun donc de jouer son rôle dans le cadre de la jouissance de ses droits. Monsieur Daoud Sani, représentant du ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, pour terminer, est-ce que on peut dire euh, qu'il y a des obstacles qui freinent les progrès que vous souhaitez dans le cadre de cette euh, bonne protection des droits de l'enfant et quelles sont les perspectives euh, pour pouvoir y remédier pour terminer. Ok, effectivement, euh, les obstacles sont énormes en matière de protection de l'enfant. Je salue d'abord l'effort que fait l'État. En tout cas, l'État fait beaucoup de choses. Tout à l'heure, je vous parlais de la politique, il parlait du plan national de lutte contre le mariage d'enfants. Mm. Mais le problème, c'est la budgétisation des mm-hmm. activités de protection. Il a parlé de problèmes de non-vulgarisation également. Oui, oui, là, là c'est au niveau, y par exemple, grand arsenal juridique. Quand on va chez le juge, qu'il beaucoup de lois. Effectivement, j'allais parler au-delà même de la connaissance des, de, l'arsenal juridique existant, mm-hmm. la coexistence du droit coutumier et du mm-hmm. droit appelé entre griffes moderne, mm-hmm. vraiment cause aussi des problèmes aux acteurs de terrain pour la mise en œuvre de certaines dispositions. Par exemple, vous allez voir qu'au niveau coutumier, on, on, voilà comment on juge une mhm. affaire de mariage d'enfant mhm. Et le juge, lui aussi, donc, quand il donne son avis, souvent vous pouvez avoir une divergence mhm. entre ces deux dispositions. On a fait ce constat au niveau même de certaines pratiques néfastes, euh, néfastes mais qui sont traditionnelles, et pratiquées au Niger. Le cas de la mutilation génitale, par exemple, Tout à fait. où l'État du Niger a fait beaucoup parmi de Parmi les obstacles, parmi les obstacles aussi, on a besoin à ce que l'État quand même est un peu augmente le personnel mhm. disponible pour euh, donc animer les différents services de protection. Mhm. Et aussi parmi les, les, les, obstacles donc euh, euh, que nous donc il y a au-delà donc de ces questions donc j'avais parlé du budget, coexistence des droits personnels, il y a aussi donc la non prise en compte comme il l'a dit de cette question de protection de l'enfant de manière souveraine par les membres de la communauté et j'en viens aux parents parce que l'article 18 de la Convention relative dit que les premiers responsables de l'éducation d'un enfant, ce sont ses parents. Mhm. faut pas que les gens croient autrement. Mhm. Et aujourd'hui, là-dessus, il y a des parents qui créent les enfants et qui les louent. Hein. Mhm. Et là, j'en appelle surtout à l'inclusion des enfants l'inclusion mhm. des enfants handicapés, parce que y a, ce sont surtout ces enfants-là mhm. dont les droits sont les plus lésés. Mhm. Il y a des gens... Là, c'est des droits spécifiques. Il faut rappeler qu'il y a la Convention qui porte protection des droits des personnes handicapées. Il y a la Convention, mais même la CDE à e. et c'est prévu également dans la CDE. C'est vrai, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis. Est-ce que Je vous assure, dire Michel, il y a même des collecteurs d'enfants handicapés en zone rurale hein, pour mhm. venir les soumettre à la mendicité. Avec la Fédération mhm. nationale des personnes handicapées, ils ont mis en place quand même des structures mhm. qu'il faut toucher, qu'il faut toucher pour que eux, ils vous trouvent une réponse. Quand vous avez un enfant handicapé à scolariser, pour vous faciliter les choses, mettez-vous en contact avec ces gens-là ou mettez-vous en contact avec les services de protection. Eux, ils pourront vous orienter pour que cette inclusion-là vraiment soit garantie pour qu'on arrive à construire véritablement cette société, mm-hmm. vous savez que quand la famille, tout ce qu'on dit comme travers là, mm-hmm. comme problématique, donc dont sont victimes les enfants, souvent la source, c'est la pauvreté des ménages. Mm-hmm. Le père n'a rien, la maman n'a rien. Alors il faut, on a des politiques de protection sociale, on a des lois même de, euh, consacrant des principes fondamentaux de protection sociale, y compris pour les enfants, mais l'État, avec l'accompagnement surtout de la Banque mondiale et des partenaires, on sait faire beaucoup d'efforts, mhm. mais c'est vraiment insuffisant. Il faut faire encore mieux redoubler d'efforts pour amener les ménages à être vraiment à la hauteur de garantie et de réalisation des droits. Il y a beaucoup de problèmes, on le constate, mais est-ce que les perspectives sont bonnes au niveau du ministère Oui, les, perspectives sont bonnes parce qu'actuellement, nous sommes même en train d'aller vers l'élaboration de nouvelles politiques de protection de l'enfant qui prenne prennent en compte le nouveau contexte. Donc, tous les éléments nouveaux liés au contexte actuel du mhm. Niger. Nous sommes en train aussi d'aller vers l'élaboration d'un plan national de lutte contre le mariage d'enfants parce que mhm. jusqu'ici, euh, vous le savez bien, même s'il y a eu un effort et euh, qui a été fait depuis le recensement de 2012 où il y avait euh, plus de 70% donc des filles qui étaient mariées avant l'âge de 18 ans et avec un effort maintenant il y a un chiffre qui est projeté un peu, un peu plus de 50% il y a Ça, une réduction dans le cadre de de l'initiative Spotlight et fidèles auditeurs nous sommes donc au terme de ce forum du studio Kalangou qui a eu pour thème la promotion des droits de l'enfant au Niger avancée et défi nous retenons qu'il y a eu plusieurs euh, avancées dans le cadre euh, du respect des droits des enfants au Niger. L'État du Niger euh, qui a donc d'ailleurs souscrit à cette convention relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 et ratifiée par le Niger depuis 1990. Les efforts sont en cours pour renforcer cette protection de l'enfant et assurer une meilleure la promotion des droits de tous les enfants au Niger. Beaucoup d'efforts euh, sont fournis donc, mais beaucoup reste encore euh, à faire, euh, d'où ces différents appels au niveau de nos invités par rapport à l'engagement et à la responsabilité, pas seulement de l'État, mais également en général de la société tout entière. Merci à nos invités, Monsieur Daoud Sani. Il est le représentant de la direction de la protection des droits de l'enfant au ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant et de Monsieur Ganda Saleh, qui est le président de la coalition des ONG africaines en faveur des droits des enfants CONAF section du Niger. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji, à la technique Amina Seini. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à toutes et à tous et au revoir.